bí bàtà ṣé kò máa lè fi gbọ̀n kọ̀? bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ẹ́ àti iṣẹ́ pàtàkì tó yọ ẹ̀kọ́ sí. fẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ Mamma! Non gli piace questa bottiglia. Pensi se tu quella sei capitata e le cose. E poi cosa la fa? Oh non! ça va Ça va bien Tu es très matin ce matin. Avec une nouvelle moto. Où vas-tu ce matin Je vais acheter juste à côté. Juste à côté Et où est ton casque Moi, je ne porte pas casque. Ah, oh non C'est quoi ah, ah, Danger Comment c'est ça, danger Oh non Le casque est obligatoire. Si jamais moi je porte casque, je ne dors même plus. Hein? La nuit là, eh, on ne dit même pas. Des maux de tête, des malaises partout. S'il te plaît, laisse-moi. Ah, tu sais que c'est quelque chose de question de temps, non Pour se l'habituer. Lorsque moi aussi j'ai commencé à porter, c'est la même chose qui m'arrive. Mais aujourd'hui, je suis habitué. C'est question de temps. Je suis habituée rapidement. Monsieur Philippe, on ne dit pas notre tête, mais on dit ma tête. C'est ça. Si jamais un accident s'est produit, hmm. c'est ma vie et non la vie du gouvernement. Ah! oh non, il faut comprendre. La vie ne s'achète pas. Est-ce qu'il y a un marché de la vie On achète la tête pour cela, le gouvernement, se dit que c'est pour la protection de nous, les citoyens. Le gouvernement n'est pas là pour nous faire du mal. Au contraire, il veut notre bien. C'est pourquoi le cas est important. D'ailleurs, lorsque tu as jeté une moto là, on t'a remis un casque, non oui, Mais pourquoi C'est pas que chose de lui sort. Et d'ailleurs, il faut comprendre quelque chose. Hein. Lis la notice qu'il y a ici. En anglais, ils ont écrit We are a hermit and eye protection is bright. Que chacun doit porter son casque avant de sortir, c'est écrit sur la notice de la moto. Oli, we are a hermit. Salam alaikum. Ah, baba. Ó ṣe rí ẹ̀. Ó ṣe rí ẹ̀. Ọmọ nǹkan ṣé wà dáadáa. Ìyàwó mi. Ẹ ṣe ń tọ́. Ọ̀rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ akẹ́kẹ́ tuntun ni o. Ṣé kọ́ni mo ní káàsì yẹn wà? Wàhálà òun dání ló fẹ́ jáde ni kí ní ṣe ẹ́ ní ìyẹn tó bá ṣe ẹ́ gbà ní sí tó bá ṣubú síbẹ̀ nǹkan fún àìsàn ló fẹ́ san owó ọ̀gá ló fẹ́ san o ayé lòun kẹsàn-án ni torí kí ni àwọn pòlìsì ọ̀ máa ń gbé létí gùdúrọ̀ lọ́ máa ń sọ pé òun mú yàn àti ká tó máa gbà ọ́ lọ́rọ̀ yàn torí dáadáa yín náà ni ìyàwó mi ẹ dákun. kí ẹnìkan tó má tuwú kí eyín náà kó gbà lẹ́lẹ̀ bíi ọ̀rẹ́ ní san owó tòótọ́ torí ẹnìkan orí pé mò ń rìn nísìnyí mo mú gáàsì dání yẹn tó bá ń lọ ibìkan ní ẹnìkan tó wá mú kásẹ̀ tó wọ́n sọ fún sọmi kó bá kó dákun kó mú kásẹ̀ kó dání kí ìfẹ́ máa sọ fún gbogbo yàn níṣẹ́ máa ń lọ kó máa wọ káàsì wọn tó bá fẹ́ wọn orí orí nísìn ìyá mi ọgbà gíní ó tuntun ni ó kò lọ sọ fún ọmọ ẹ kó gbé káàsà fún ẹ. tù lẹ́fọ̀. <laughs> ọ̀rẹ́. bẹ́ẹ̀ jìnnà bá fún mi. ọkùnrin ọ̀tá ni. Oui, eh. Eh, oh, il disait simplement que le port de casque est très très important. Je ne savais pas. Hmm, Selon moi, l'État a mené ça pour exporter de l'argent chez nous, n'est-ce Jamais. Le gouvernement n'est pas là pour remplir sa caisse. Il est là pour faire notre bien, pour notre sécurité. C'est pourquoi chaque fois, il a des répressions. Et c'est pas fini. Même avant de sortir, lorsque tu prends casque, tu dois piquer la corde comme ça. Tu dois piquer la corde. C'est très important. Tu dois piquer la corde. Hein? Avant de sortir. Sinon, tout à l'heure, avant de venir, il y a un policier qui a frappé la bouteille d'un client sans casque et on l'a arrêté il doit payer. Euh, oui, euh, Un client c'est comme ça. Voilà. Lorsque tu sors, tu vas vérifier si les clignotants, les feux arrière de devant, les rétroviseurs sont en bon état. Les pneus aussi. Même en voiture, lorsque tu vas prendre le chemin, tu dois assurer que ta ceinture de sécurité est bien mise en point. C'est pas fini. Les pneus aussi. Donc c'est un peu ça. Même en roulant de bicyclette, tu dois porter le casque, même en marchant. Parce que tout à l'heure, tu dois prendre c'est très important, tu dois prendre chacun avec son casque. Ah, je ne savais pas. <laughs> oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur eh Merci. Tété. Maman. <laughs> Eh. Apporte-moi mon casque. Hmm. Très vite. Merci beaucoup, monsieur. Ah, mais je l'avais pourtant dit. Ah. À l'école, on nous a enseigné que le port de casque est très important pour chaque citoyen. Moi, je ne suis pas prête pour perdre ma maman. Et je ne veux non plus manquer de petits déjeuners. Eh. Ta vie est intelligente, elle connaît tout. Et, il faut piquer la corde. Hmm. Sinon, ils le monde Voilà, c'est maintenant que tu as porté le casque. Hmm. Si on est un signe. Alors, chaque citoyen doit porter son casque avant de sortir. Va préparer, Voilà. d'accord. Moi aussi, je vais piquer. Voilà. Oh non, je vais goûter la nouvelle sauce. Hein. Euh, je, je, je, je vais produire pour voir. un casque en circulation est crucial pour ta sécurité et celle des autres usagers de la route. En portant un casque, tu réduis considérablement les risques de blessures graves à la tête en cas d'accident. N'oublie pas, la sécurité routière est l'affaire de tous. Alors, n'oublie pas ton casque avant de prendre la route. Ceci est une sensibilisation pour tous citoyens.